mbokk yi merci mbokki Ziguinchor mbokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak ci santam ñoo ngi leen di gërëm yéen média yi ak presse yi bi ñu fekk fii ci buntu kër gi ñuy gërëm sénégalais yi ñu fekk fii Ziguinchor waa yi ak waa ñëpp même diaspora bi nee nañu am nañu ñëw ñëw taxaw si fii ñoo ngi leen di gërëm ci turu leader yi ñu àndal te yaakaar naa ni kenn du leen dootu leen présenté ci réew mi waaye kenn dootu leen présenté ci taxawaay bi nga xam ne ko ci soutenir ak jàppale Ousmane Sonko ci épreuve yi mu nekk ci agression bi nga xam ne mu ngi subir depuis des années ci persécution bi nga xam ne mu ngi subir aussi man docteur Cheikh Tidiane Dieye honorable présidente et Linguère Aïda Mbodj président Malik Gakou ñu ñëw fii ci Ziguinchor pour féddali taxawaay pour faire de soutien, pour faire de la solidarité, pour voir le président Ousmane Sonko il n'est pas seul et il ne sera jamais seul. Je suis la semaine passée. nous sommes ñu nekkoon maag di di wax Dakar pour participer à la manifestation du F24 La manifestation de guerre, nous sommes fait fii fekk si ko fii pour won ko ni dinañu de ak askanu Sénégal ànd ak la population de Ziguinchor dinañu ànd ak sénégalais yi nekk ci réew mi ak ci diaspora bi dinañu ànd ak africains yi parce que africains yi yëpp ko yéene jàmm dinañ ko ànd ak bépp démocrate ci àddina bi pour jàppale ko pour soutenir ko pour génnee ko des griffes de Macky mi nga xam ni depuis des années def lu dul jéem ko faagaagal jéem ko détruire moralement jéem ko détruire politiquement jéem ko sax détruire physiquement ñuy wax Macky Sall ni lii am ci réew mi Ce n'est pas une révolution politique, c'est une révolution sociologique. Sénégal m'a transformé de toute catégorie socio-professionnelle Nous am rêve d'un Sénégal meilleur rêve que nous, avons bëggul Macky Sall Macky démocratie ci réew mi état de droit Nous dul amul du au pouvoir 2012 nous avons fait ñoo ànd pour démocratie pour état de droit Macky Sall mon nag la sélection comme ragal génnee la Ousmane Sonko depuis des années amul persécution bu mu ko tegul lépp loo xam ni mënuloo imaginer ni teg ko nit personne humaine acteur politique leader politique les plus xam pour détruire ko le peuple sénégalais est debout le peuple sénégalais taxaw na nee procès mi yëpp procès caaxaan la justice veut l'instrumentaliser pour le détruire et le peuple sénégalais ne le laissera pas faire donc bon message le indi Si à pour dire à Ousmane Sonko il n'est pas seul et il ne sera jamais seul donc honorable qui a dit la parole mu apporter son témoignage sa solidarité président Agmali Gakou est là il fera de même et puis, le nuit talk pendant les heures qui suivent et les jours qui suivent pour que Macky Sall ne lu mu bëgg Sonko il passera par nous nous, nous, du def Ousmane nous ndax apporter cette solidarité et c'est ce que je voulais dire pour que Sénégalais je vous remercie. wax yëpp wax na ko waaye suñu teewaay bi nga xam ne tey Sénégal yëpp xam na ne ñu ngi fi te bu Sénégal ak àddina yëpp xamee ne ñu ngi fi ñu xam ne am na lu insolite loo xam ne mu ngi koy def am na loo xam ne am na te loolu am benn nit rek moo ko créé muy na président Macky Sall ñu wax nag man en ki qui me ak en ce qui concerne seen leader la que Ousmane Sonko ak ñi mel ni ñun ak ñi ngeen gisagul kenn du ko bàyyi moom kenn kenn du ko bàyyi moom kenn ndax mérité wu di jiwu Sénégal di ko démocratie di ko ñi muy àndal gisuñu ko ci jikko man nak dama né yaay mom du bayyi doomam mukk mu de mu wéet yaay du bayyi doomam mukk mu wéet le devoir d'une maman c'est d'être à côté de son fils en toute circonstance à tout moment merci beaucoup nous sommes venus à Ziguinchor. apporter notre soutien indéfectible. au président Ousmane Sonko. Vous le savez bien, nous partageons avec le président Ousmane Sonko les valeurs patriotiques qui doivent refonder la République l'état de droit, la démocratie et les libertés dans notre pays. est persécuté par le régime et c'est la raison pour laquelle nous avons pris notre responsabilité citoyenne, notre responsabilité patriotique pour venir ici à Ziguinchor déclarer Urbi et Torbi que Ousmane Sonko ne sera jamais seul face à l'injustice, Ousmane Sonko ne sera jamais seul face à la primate et qu'ensemble, nous allons nous battre pour qu'il puisse retrouver l'ensemble des voies et moyens à même de nous permettre de faire face à ses devoirs républicains, mais également répondre aux immenses espoirs que le peuple sénégalais nourrit envers sa personne. Aujourd'hui, ce n'est pas Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un patrimoine national. Ousmane Sonko est un patrimoine panafricain. Ousmane Sonko est un patrimoine mondial. Et c'est la raison pour laquelle, dans son combat pour la liberté et la démocratie au Sénégal, nous allons l'accompagner et nous allons toujours être à ses côtés. C'est pourquoi aujourd'hui, avec sa maman, Madame Aïda avec son frère, le docteur Cheikh Tidjan Djei, et moi-même, nous sommes venus ici dire à la population des Igashor, dire à la population du Sénégal dire aux Africains, dire à la communauté internationale combien nous sommes engagés auprès de ce grand marché pour qu'ensemble nous puissions engager les bases de développement armé de notre pays. Les Sénégalais sont fatigués, les Sénégalais sont découragés, les Sénégalais sont démoralisés. C'est la raison pour laquelle nous allons ménager aucun effort pour qu'à côté du président Ousmane Sonko, nous puissions redresser la barque afin que le Sénégal puisse devenir un État de droit, une république.

teg ko loxo teg ko tànk am yaakaar ci moom ñu ñaan yàlla yàlla mottali yéen a jooju loolu moo tax taxaw fi tey maa ngi leen di gërëm di jëf.